le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Vous écoutez le programme du studio Kalangu sur 41 radios partenaires à travers le Niger. Bienvenue à cette émission quotidienne, le forum du studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème de ce débat est Lutte contre la désertification, quelle avancée et obstacles au Niger Le désert avance dans ce pays à quel rythme Quels sont les enjeux du phénomène au Niger Où se situent les responsabilités Comment y faire face Pour répondre à ces questions, nous avons invité Mme Boubacar Zalia Yakuba, conseillère technique au Conseil national pour l'environnement et le développement durable CNEDD au cabinet du Premier ministre. Madame Boubacar Zalia, bonjour. Et nous avons également avec nous Allahi Bizo Ismaël, qui est président de l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique au Niger et membre du réseau Sahel Désertification. Monsieur Allahi Bizo, Bonjour. Bonjour. Et à la présentation, je suis Alassane Kouzi Mahamadou. La lutte contre la désertification au Niger, avancées et obstacles, c'est autour de cette thématique que nos discussions tourneront ce soir. Asumana China nous fait le point sur la question. Le Niger est un pays sahélien et enclavé. Le pays couvre une superficie de 1 267 000 km2 pour une population de plus de 19 860 000 habitants selon les statistiques de 2018. Les trois quarts du territoire sont occupés par des déserts dont celui du Ténéré avec une sécheresse cyclique. L'économie du pays repose en grande partie sur l'agriculture et l'élevage et l'exploitation des ressources naturelles. Par ailleurs, les sols sont en général pauvres et la superficie potentiellement cultivable est estimé à 15 millions d'hectares, représente moins de 12% de la superficie totale du pays. Rappelons aussi que ces sols à majorité dunaires sont peu productifs et très sensibles à l'érosion hydrique et éolienne. Le potentiel en terre irrigable est estimé à 270 000 hectares, dont 140 000 hectares sont situés dans la vallée du fleuve Niger. D'ici 2025, le pays devrait enregistrer plus de 24 millions d'habitants selon les prévisions. Cet accroissement démographique combiné aux conditions climatiques contraignantes inquiète beaucoup d'observateurs. Parmi les mesures prises depuis des décennies contre l'avancée du désert, notamment, figure l'institution en 1975 de la fête de l'arbre, couplée à la commémoration de la fête de l'indépendance avec un objectif de planter chaque année des millions de plants. En 2015, le Niger a adhéré à l'initiative africaine de restauration des paysages forestiers visant à restaurer 5 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Le pays s'est fixé comme objectif annuel la restauration de 213 000 hectares de terres dégradées. 36 500 hectares de lignes devraient être aussi fixés et une production de 10 millions de plants chaque année. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire Suivez le forum de Studio Kalangu avec Alassane Kouzi. Merci à Asmana Shina. Alors, je commence tout de suite avec vous, Madame Boubacar Zalia Yakuba, conseillère technique au Conseil national pour l'environnement et le développement durable. Quels sont les facteurs clés de la désertification au Niger D'abord, nous sommes un organe national des questions de l'environnement et du développement durable. Hmm. Et le CNEDD. Le Conseil national d'environnement durable. Donc, hmm. nous sommes au niveau du secrétariat et le conseil au niveau de la primature, il est présidé par le directeur de cabinet du Premier ministre. Hmm. Donc, c'est une organisation au sein desquelles les membres sont les secrétaires généraux des différents ministères et de la société civile. Donc nous, nous sommes la cheville ouvrière de ce conseil. Et ce conseil est le point focal des trois conventions du Rio, notamment la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la la Convention sur la gestion de la diversité biologique et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et ce qui nous intéresse aussi, justement, c'est cette première convention citée sur la désertification. Voilà. Donc, sur cette convention, et si vous vous rappelez, et nous avons au Niger fait un débat qu'on appelle le débat de Maradi. Et depuis les années 80. Et sur ce plan, donc, nous avons euh, fait ce forum où il y a l'ensemble des acteurs. Et donc, nous avons pu sortir un document par rapport donc à la lutte contre la désertification. Pour vous dire que la lutte contre la désertification est née avant même cette convention des Nations Unies sur la lutte contre les désertifications qui a été donc adoptée le 17 juin 1994 et, et entrée en vigueur le 26 décembre 1996. Pour le cas du Niger, quels sont aujourd'hui les facteurs clés qu'on en tout cas qui sont euh, qui engendrent la désertification les facteurs humains et, naturels, bien sûr. La désertification au Niger, euh, elle est anthropique en même temps climatique. Il y a l'homme qui est là et les effets donc des activités humaines qui ont dégradé notre environnement et il y a les facteurs climatiques parce que ces facteurs climatiques, notamment les vents violents qui sont là, les inondations, et il y a également les activités humaines dans l'agriculture et l'élevage, donc qui ont eh, dénaturé notre environnement, notre sol, notre terre. Et cette terre est devenue, eh, la majeure partie de cette partie est devenue infertile. On parle de déforestation aussi eh, accélérée Déforestation accélérée parce que nos terres sont très infertiles. Et notre économie repose sur l'agriculture, vous le savez très bien. Mm. Et donc, euh, le, paysan a besoin de terre pour pouvoir euh, cultiver son champ, pour pouvoir euh, avoir de la nourriture. Monsieur Ismaël Bizot Alaï, président de l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique au Niger, membre du réseau Sahel Désertification, quel autre facteur vous indexez pour cette question de, de, l'avancée du désert au Niger. Je voulais juste euh, apporter une petite précision pour nos auditeurs euh, pour qu'ils comprennent quand on parle de désertification, le plus souvent on parle pas, ça correspond pas avec à l'avancée du désert, mais c'est un processus de dégradation mm. des terres. Mm. C'est-à-dire c'est pas seulement dans le Sahel, même dans votre champ à colo, vous pouvez voir, avoir la désertification. Donc c'est un processus. Le désert n'est que l'étape finale de la désertification. Mm. Donc alors, par rapport aux facteurs de la désertification au Niger, principalement, ce sont les facteurs humains. Il y a tout de suite, euh, Madame parlait de la déforestation. Mm. Les chiffres exacts, c'est qu'aujourd'hui, plus de 100 000 hectares sont perdus à cause de la, de la déforestation et qui sont des terres dégradées. Mm. Dans la présentation de l'émission, eh, on a parlé de 15 000 hectares de terres arables. Mm. Alors, si vous imaginez chaque année 100 000 hectares qui se dégradent, vous pouvez calculer à l'échelle des terres. Au Niger, il y aura une période où il y aura plus de terres arables. D'autant plus, on va peut-être revenir là-dessus par rapport à la restauration des terres. Combien d'hectares de, de terres actuellement sont restaurés On va faire peut-être l'exercice de faire le calcul. le calcul mais principalement, vraiment, euh, c'est à la déforestation, à l'agriculture intensive et extensive mm. aujourd'hui qu'on a cette avancée du désert et aux pratiques agricoles. Mm. Quelles sont en gros les conséquences qu'engendre cette dégradation euh, du couvert végétal euh, Je disais, c'est un sujet sérieux et grave. Alors, pourquoi, pourquoi j'ai dit ça Lors du Forum international des jeunes pour Forum international des jeunes sur la désertification, le FIGET Sahel, on a fait le lien entre désertification et sécurité. je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe euh, à Difa, dans la, euh, dans, la zone du lac Tchad Vous prenez ça, c'est dû réellement ok, à l'ensablement du lac faites, Tchad. Vous faites allusion à, l'assèchement du, lac Tchad. Du lac Tchad, hmm. qui a fait en sorte que plus de 30 000, euh, personnes ok, n'ont plus de ressources. Et la majorité, ce sont les jeunes leur activité principale, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Alors, à un moment donné, ils n'arrivent plus à, à, pratiquer ces activités-là. Hmm. Ils s'adonnent à quoi À l'insécurité. Hmm. Donc, vous voyez, il y a un lien entre l'insécurité et la désertification. Hmm. Mais, mais, plus encore, la performance économique de notre pays est basée sur l'agriculture, qui, qui, fait actuellement plus de 40% du PIB national. Et l'agriculture est liée au climat et au sol. Donc, plus nos terres se dégradent, plus <laughs> notre économie est, mauvaise. Prend des coups. Prend des coups, exactement. Donc, vous voyez, les conséquences au niveau national, au niveau local sont énormes. Madame euh, Boubacar Zalia Yakuba, concert technique euh, au CNEDD. On sait qu'aujourd'hui, l'économie du pays repose en grande partie hein, sur l'agriculture et l'élevage. La superficie potentiellement cultivable est estimée à quelques 15 millions d'hectares, soit moins de 12% de la superficie totale du, territoire. Avec l'avancée du désert, l'initiative 3 ans, les Nigériens nourrissent les Nigériens est-elle possible euh, Merci. Avant d'arriver là, je vais peut-être je vais plutôt vous parler de la désertification, de la dégradation des terres. Puisque la désertification, c'est la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et humides sèches. Donc, euh, à chaque fois, peut-être vous allez voir, parler un peu de désertification et de dégradation des terres. Et par rapport à les facteurs de la dégradation, je vous ai dit, sont, ils sont pardon, essentiellement d'ordre climatique et anthropique. Donc, sur le plan climatique, les conditions météorologiques caractérisées par des pluies insuffisantes et parfois diluviennes et irrégulières, mal réparties sur l'espace et dans le temps. Donc, euh, ainsi, nous avons, nous faisons face à des vents violents et, euh, qui sont les causes de la dégradation des terres et qui ont des impacts sur la production. Et en effet, il y a également l'accroissement des besoins alimentaires euh, d'une part et la baisse des rendements d'autre part. Mm. Il y a l'augmentation, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des surfaces cultivables, qui est la principale euh, stratégie de survie pour les producteurs. Donc, il y a autant d'éléments mm. qui se regroupent et qui font face à notre euh, environnement. Mm. Donc, et sur ce plan, nous avons pris des engagements au niveau ici international avant d'arriver au niveau national. Donc au niveau international, nous faisons partie des pays, par, des pays ayant signé la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la défécation. Mm. Et si on signe cette convention, il y a des engagements que nous, nous prenons. En tant que pays développé, il y a des engagements au niveau des pays en développement. Donc pour cela, pour la mise en œuvre de cette convention au niveau national, nous avons élaboré le programme d'action nationale de lutte contre la défécation et de gestion des ressources naturelles. Mm. Et ce programme national et notre agenda national. Parce qu'au niveau international, il y a l'agenda 21. Et chaque pays doit élaborer son programme d'action nationale de lutte contre la désertification. Donc nous, nous l'avons appelé programme d'action. Peut-être dans d'autres pays, ce n'est pas le programme d'action, lutte contre la désertification. Mais c'est lui qui retrace et qui a avec son plan d'action toutes les activités au niveau national qu'il faut faire en termes de lutte contre la désertification. Donc, c'est notre document de référence. C'est notre, notre premier document de référence en matière de lutte contre la désertification. Le guide, en fait. Donc, voilà et comment nous l'avons élaboré. Nous l'avons élaboré avec l'ensemble des acteurs que ce soit les services étatiques, que ce soit la société civile, les chercheurs, etc., les médias. Donc tous ont participé. Et ce programme a été adopté en 2000 par le gouvernement. Donc, euh, au niveau international, donc euh, après les dix années, il y avait eu une évaluation de ces programmes d'action au niveau des pays. Donc, lorsque l'évaluation a été faite, on a trouvé que la mise en œuvre a été très mitigée. Très mitigée parce que nos programmes ne comportaient même pas d'indicateurs. Et donc, au niveau international, qui permettent d'évaluer, de, mesurer, la mise en œuvre pour savoir là où nous en sommes. Donc, euh, après cette euh, mise en œuvre, cette évaluation qui est restée mitigée, donc il y a eu l'adoption, euh, c'était à la septième ou huitième conférence des partis qui s'est tenue à Madrid. Donc, on a adopté euh, la stratégie du Sénat qu'on appelle le plan cadre stratégique du Sénat 2008-2018 qui comporte des indicateurs. Donc, euh, suite à cette adoption, sur le, plan international. Maintenant, au plan national, il faut que nous nous alignions à ce cadre. Donc, euh, en 2015, nous avons donc aligné notre programme d'action national de lutte contre à ce cadre stratégique du Sénat. Mm. Donc, pour qu'il soit bien évalué, donc on a pris en compte, on avait des indicateurs de performance. Donc, il intègre tous les indicateurs qui prennent en, dans le, euh, euh, par rapport au niveau cadre stratégique international. Alors, aujourd'hui, quelles sont les principales avancées dans ce domaine Donc, l'avancée les résultats des différentes mesures mises en œuvre les résultats à différentes mesures au niveau national, c'est pour que vous dire que et, ce nouveau cadre, il a pris en compte 2008-2018. Donc, 2008-2018. Euh, Donc, nous sommes maintenant en 2019. Donc, je vais revenir pour vous dire mm. le processus, puisqu'il faut encore un autre nouveau cadre. Comment ça se passe Ici, euh, nous, au niveau du CNGZ, mm. nous sommes une structure stratégique. Nous sommes une structure stratégique et nous travaillons avec l'ensemble des acteurs. Donc, il y a des rapports de mise en œuvre de la Convention que nous faisons. Mm. Et ces rapports c'est l'ensemble des structures de l'État. Donc, tous les rapports qui se font au niveau des structures, des, directions des études de la programmation, au niveau des, des, des, des autres ministères, donc que nous compilons à notre niveau. Mm. Parce que nous, nous ne faisons pas la mise en œuvre. Mm. Mais nous avons des projets pilotes à notre compte donc si ces projets pilotes réussissent, maintenant c'est au moment qu'on va au niveau des grandes entreprises. Mm. Et comment ça fait la mise en œuvre Nous nous basons toujours sur les structures étatiques de l'État, la société civile, au niveau terrain. Mm. Donc même s'il y a des projets pilotes, c'est au niveau terrain que nous le faisons et avec les mêmes structures. Nous ne faisons que la coordination, l'harmonisation, le, suivi, le suivi de la mise en œuvre. De la mise en œuvre. Voilà. Et des recommandations. Et des recommandations, c'est ça. Donc quand nous travaillons, c'est avec l'ensemble des structures que nous les faisons mm. et nous compilons ces rapports. Mm. Donc, Monsieur Ismaël euh, Bizo Alaï, euh, qu'en pensez-vous en tout cas du, résultat des différentes actions mises en œuvre et, de leur suivi je pense que les résultats sont mitigés, ils sont insuffisants. Mm. Euh, pourquoi j'ai dit ça Je reviens toujours sur les chiffres parce que c'est très bon souvent de donner les chiffres, même si euh, très souvent ce pas des chiffres exacts mais on va s'en tenir aux chiffres. Actuellement, on perd 100, 000 hectares. Mais si vous compilez les résultats entre 2011 et 2018, le Niger a récupéré moins de 45 000 hectares. Donc, vous voyez, il y a un gap de... Moins de Moins de 45 000 hectares je, vous dis. Parce que, l'objectif national aujourd'hui, en tout cas depuis un certain temps, l'objectif national de récupération des terres est de 213 000 hectares euh, annuels. Oui. En fait, si vous voulez, ça c'est l'objectif dans le cadre stratégique. Mm. C'est sur 2015-2030. Le Niger prévoit de récupérer 3,2 millions d'hectares. Ça c'est le cadre stratégique. Et par an 213 000. Oui, par an 213 000. Mm. Nous, nous perdons actuellement 100 000 hectares. Moi, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des données compilées. C'est pourquoi je vous dis, je parle sous pas uniquement sur le volet et société civile, mais aussi de la recherche. Si vous compilez, j'ai dit les données, vous prenez eh, le tableau de bord social de 2015, de 2018, vous, vous prenez les rapports de l'initiative 3N, si vous compilez ces chiffres, vous allez trouver en termes de terres restaurées, c'est moins de 45 000. Donc, ce qui signifie que euh, y a il y a les objectifs fixés il y a ce qui est réellement sur le terrain. Réellement sur le terrain. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, actuellement, on récupère moins que ce qu'on est en train de perdre. De perdre. Plus encore, en 2010, il y a eu une étude de référence pour dire au Niger, il y a à peu près 10, euh, millions d'hectares qui sont dégradés. Donc, vous augmentez chaque année 65 000 hectares à ces 10 millions-là. Vous allez voir que le chiffre est, énorme. Donc, en matière de restauration des terres, beaucoup reste à faire. Alors, où se situent les responsabilités selon vous À plusieurs niveaux. Hein à plusieurs niveaux et je, je, pense que tous les, tous les acteurs ok, sont, sont concernés par rapport à cette question-là. Je, vais vous donner peut-être juste un, un, exemple. Pourquoi j'ai dit d'ailleurs au début les chiffres sont, sont erronés. Il y, a, deux semaines ou trois semaines, là, on était euh, à la semaine des restaurations des terres à, à Dosso. À Il y a eu des présentations sur des résultats de 2018 en termes de restauration des terres, des RNA, régénération naturelle assistée, des de lutte contre l'avancée du désert, tout cela. Mais, je vous dis, dans la salle, il y a eu plusieurs projets qui sont là. Les résultats qui ont été avancés par le ministère, il y a des institutions qui sont arrivées presque à ces résultats-là. Donc, c'est comme dit madame, il y a un problème de compilation des résultats. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans un flou complet. On ne sait pas réellement, je dis, combien on récupère par, euh, par an. Et moi, je vous dis, si on arrive à bien compiler, même si on n'arrive pas à ces 5000 hectares de terres restaurées, euh, je parle de terres restaurées, on peut atteindre, on peut atteindre les 80. Les responsabilités, où les situez-vous La première responsabilité. société civile, État euh, ou partenaire, où est-ce que vous voyez les responsabilités À tous les niveaux. Si vous voulez un autre exemple, <laughs> je, vous illustre ça avec des exemples toujours lors de cette semaine de restauration de terres, on a visiter un site hein. ok, qui a échoué. Et les, acteurs... Un site de quoi Des restaurations des hein. terres. En fait, ce sont des demi-lunes agricoles qu'ils ont fait. Vous savez pourquoi ça a échoué hein. Parce que lui, l'acteur de la société civile, le projet, il a eu une prestation euh, d'une institution internationale pour mettre en œuvre le euh, des, actions de restauration des terres. La direction de l'environnement euh, régional de l'environnement je pense, est chargé de suivre, euh, de faire le suivi. Le problème qui s'est posé à un moment donné, lui, vous savez, pour faire l'ensemencement euh, sur des terres restaurées, il y a une période bien précise. Alors, si cette période-là dépasse, même si vous faites l'ensemencement, vous êtes sûr que euh, votre projet va échouer. Alors, lui, le projet, pour recevoir le reste de son financement, c'est dit, bon, nous, dans tous les cas, on va faire l'ensemencement. Ils sont allés faire l'ensemencement avec certains agents de, l'État. Et l'ensemencement a échoué, le projet a échoué. Maintenant, lui, le, le, le comment on dit, l'institution internationale les ont payés parce que c'est par rapport à ça qu'il faut la payer. Alors là, vous voyez que c'est... C'est sur toute la ligne, en fait. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est sur toute la ligne. Madame, euh, euh, sur, cet aspect des responsabilités, mm. euh, si aujourd'hui on se trouve dans une situation où souvent il y a un déphasage entre les objectifs fixés, entre les résultats concrets sur le terrain mm. et souvent ces problèmes aussi de compilation et de mise à jour des données, comment situez-vous les responsabilités Merci. Les responsabilités sont partagées, que ce soit du côté euh, de l'État, que ce soit du côté de la société civile, que ce soit du côté des chercheurs, que ce soit même du côté des populations aussi, bénéficiaires des, des, des appuis. Parce que là, j'ai voulu aller étape par étape parce que pour cela, nous avons fait vraiment le bilan de la lutte contre la désaffectation. Et nous sommes rentrés dans un programme qu'on appelle le programme de la neutralité en matière de dégradation des terres. Comme il l'a dit, mm. nous nous, ce que nous restaurons, nous dégradons plus que ce que nous restaurons. Donc 5 euh, 000 hectares de terre par an qu'on dégrade, c'est ça. Les 113 000 hectares, c'est l'engagement politique. 213. Les 213 000 hectares, c'est un engagement politique qu'on a pris au C'est un objectif, en tout cas, en principe, de le double de ce qui est dégradé. Voilà. Donc, nous avons fait notre situation de référence. Mm. Nous avons euh, défini nos cibles en matière de dégradation des terres. Et nous avons fait une déclaration politique qu'on a rendue au niveau international au sein de la Convention hmm. pour dire que nous nous engageons à restaurer ce qui est dégradé et de ne plus restaurer des terres. Et donc, nous, en tant que point focal de cette convention, donc nous faisons des sensibilisations, nous informons les partenaires pour qu'ils se rentrent, pour qu'ils rentrent dans ce cadre, parce que d'ici 2030, il faut que nous attendions la cible que nous avons et que nous voulons atteindre d'ici 2030, qui est conformément aux, ODD, aux objectifs de développement durable. Donc, euh, c'est pour cela que par rapport euh, à ça, chaque région, on a défini chaque région la cible pour atteindre. Mm. Donc, euh, il faut pour nous atteindre, je crois, de l'objectif de ne plus dégrader des terres et c'est un objectif national, mais je ne l'ai pas vraiment en tête d'ici mm. là mm. que nous allons atteindre. Mm. Donc, c'est pour cela que j'ai dit on a élaboré notre situation de référence. On a défini les cibles les cibles sur lesquelles. Donc c'est pour cela que j'ai dit les indicateurs de la nitraté de la, dégradation des terres, c'est ça. C'est l'occupation des terres, c'est la productivité des terres, c'est le stock de carbone. Et ces indicateurs abordent le changement dans le système des différents, euh, différentes manières et permettent de mesurer les progrès accomplis pour l'atteinte de cette neutralité. Donc euh, en termes de responsabilité, donc nous avons été au niveau de la COP en, septembre passé. Donc tous les, tous les partenaires étaient là. la COP en Inde. La COP 14. 14 en Inde. Et la société civile a fait son rapport. Et les privés ont fait leur rapport. Et nous avons eu des messages clés pour que la désertification, comment il faut, il faut la désertification est l'activité la moins coûteuse pour aller vers les changements climatiques. Donc, elles sont liées, les conventions. Pour vous dire que changement climatique, biodiversité et désertification sont liées. Et en termes de bilan, qu'est-ce que nous avons fait Surtout en ce qui comme concerne, vous avez posé la question par rapport à l'initiative 3N de 2011 à 2018. Donc, nous avons visé la préservation et l'amélioration de la soutenabilité des bases productives, donc qui sont conformes aux objectifs donc, de, euh, de l'initiative n Et sur cette période, il y a eu 347 352 hectares de terres dégradées qui ont été traitées et 64,3 millions de plants forestiers produits et 188 858 hectares de plantations réalisées pour restaurer les terres agro-silvopastorales. 219 euh, km de bandes parfait ouvertes, 239 867 hectares aménagés par la régénération naturelle assistée et 66 950 hectares traités contre les plantes envahissantes. Donc, ce qui fait euh, dans 2946 hectares sur les plans d'eau. Bien. Est-ce que oh, nous allons demander à, Ismaël euh, Bizot, est-ce que oh, ces résultats cités, en tout cas en termes d'efforts, fourni euh, sur cette question, est-ce que l'impact c'est récent au niveau des populations mais, ce que je suis en train de vous dire, merci d'abord. ces résultats, ce sont des résultats qui ont été publiés. Et moi, l'analyse que je viens de vous faire pour dire que les terres restaurées de 45 000 par rapport aux 5 si vous calculez à partir de ces résultats, vous allez avoir le même eh, les mêmes chiffres. Ça, c'est récent au niveau de la population. je dis oui, la population. À quelle hauteur à quelle hauteur, vous savez, par rapport à, à la lutte contre la désertification, la population est engagée. Et on parle tout de suite de la RNA. La RNA, la régénération naturelle assistée aujourd'hui, qui est un des leviers principaux ou des solutions les plus innovantes pour la lutte contre la désertification, c'est une innovation de la population. Donc la population contribue c'est vrai, quand vous parlez des responsabilités des situer, c'est à tous les niveaux. Hein. Mm-hmm. Moi, je ne dis pas un tel ou un tel, mais c'est à, tout, à tous les niveaux. Mais dans tous les cas, vous savez, il y a un chapeau. Il y a quelqu'un qui doit prendre ça. Mais les résultats ne sont pas suffisants. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Bien, nous allons écouter quelques auditeurs, en tout cas euh, quelques citoyens de la ville de Niamey que nous, avons rencontrés pour savoir quelle est la perception, euh, en tout cas, qu'ils ont sur l'avancée du désert. Et écoutons ces réactions recueillies par Ousmane China. Auparavant, dès que tu sors du village, à moins d'un kilomètre, tu vois des arbres, des animaux sauvages. Tu ne peux pas aussi manquer un endroit où te reposer. Tout cela n'existe plus aujourd'hui et le phénomène ne fait que s'empirer. Le désert avance beaucoup, surtout vers chez nous à Difa. Et puis on ne fait qu'abattre les arbres, on ne plante pas. Le phénomène de la désertification a pris de l'ampleur parce qu'il y a des dunes de sable sur lesquelles n'importe quelle voiture ne peut monter dessus. Même à pied, il y a des difficultés à marcher à cause du sable. Le sable est aussi entré dans les mares, ce qui fait que ces mares ont moins d'eau qu'avant. Les dimensions des espaces agricoles et pastoraux sont aussi réduites. Voilà quelques réactions recueillies euh, ici même à Niamey. Euh, alors, un tour de table des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre, Madame euh, Boubacar euh, oui, C'est réel c'est réel parce que euh, l'État a conscience de tout ça et l'État s'est engagé et c'est une priorité pour l'État. Et c'est pour cela que je vous ai dit euh, par rapport euh, à cette lutte contre la désertification et la gestion des, des, terres. Et le Niger, donc en se basant sur l'état de la dégradation des terres, donc il a établi, il s'est fixé pour ambition d'atteindre donc euh, la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici 2030. Et pour cela, la cible principale, c'est de réduire les superficies dégradées de 9% à 5% et augmenter de 17 à 19% la couverture végétale, qui sera un gain net en vue d'améliorer donc de façon durable les conditions de vie des populations. Et en termes spécifiques également, il faut que nous restaurons 44% et soit 4 millions 440 euh, 000 hectares sur environ 10 millions 760 000 hectares de terres dégradées. Ça, c'est en 2010, puisque notre situation référence est basée en 2010, et réduire euh, aussi de 2%, soit 252 000 hectares, la superficie des terres cultivées et présentant une tendance négative de productivité primaire nette. Et ensuite, également réduire de 1%, euh, soit 5 000 hectares, à 0% le taux annuel de conversion des forêts, puisqu'il y a des forêts qui se convertissent en savane ou des savanes euh, ou des zones humides ou d'autres types d'occupation des terres. Mm. Donc, émettre mettre un terme à l'ensablement et l'érosion hydrique le long du fleuve Niger. Et cela va nous amener à séquestrer 290 000, 12 000 tonnes de carbone dans le sol ou la biomasse par les bonnes pratiques agroforestières à travers des brises-vents, des haies vives, de la régénération naturelle assistée, des banques fourragères des banques aliments bétail, etc. Bien. Monsieur Ismaël Bizot, vous avez écouté tout à l'heure quelques citoyens que nous avons rencontrés et un peu leur cri de cœur et comment eux-mêmes ils sont en train de percevoir cette euh, question de désertification qui les concerne de plus près. Quelle réaction je, pensais que le, bon monsieur dit euh, est, exact. Hein. Hmm. Euh, parce que la désertification, en fait, c'est, c'est quelque chose que la population ressent directement. Hmm c'est pas quelque chose. Aujourd'hui, quand on vous dit changement climatique, vous dites mais c'est quoi le changement climatique Mais quand vous leur dites la désertification, c'est quelque chose qu'ils peuvent vous dire voilà. Ce n'est plus abstrait. Ce n'est plus abstrait. Il y a, il y a, il y a 5 ans, voilà l'État. Aujourd'hui, voilà. Il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est quelque chose qu'ils sont capables de mesurer et qu'ils sont en train de vivre dans, dans l'âme. Ah, ah, ah, alors, moi, ce qui me, ce qui me dérange, ce n'est pas les chiffres Qu'est-ce qui vous dérange alors Ce qui me dérange, c'est est, ce que réellement la lutte contre la désertification est une priorité Je vous repose cette question. Ah, alors pourquoi j'ai dit ça Vous prenez le cadre stratégique mm. national en matière de gestion durable des terres. J'ai fait juste le lien avec la, contribution déterminée au niveau national. Il y a ce qu'on appelle les financements conditionnels et les financements inconditionnels. Mm. Pour, pour faire, en fait, si vous voulez savoir le, cadre, euh, la C DN, c'est juste une contribution qu'on dit, voilà ce qu'on va faire en matière de lutte contre le changement climatique. Mm. Alors, dans le financement euh, conditionnel, ok, le Niger a besoin de plus de 90% pour mettre en œuvre son cadre stratégique de gestion durable C'est-à-dire mm. c'est de l'argent qu'on attend que les autres nous donnent. Est-ce que vous voyez Est-ce que cet argent-là, les, les, autres vont nous le donner Voilà une question. Donc c'est pourquoi je dis, je ne sais pas vraiment si c'est une priorité. Nous allons poser cette question à, Madame Boubacar Zalia du CNEDD. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, la lutte contre la désertification est une priorité La lutte contre la désertification a toujours été une priorité de l'État, puisque l'État investit aussi. Le programme euh, de renaissance, c'est aussi sur la lutte contre la désertification. Notre CDN, là, elle est basée sur la gestion durable des terres ce que vous oubliez. Elle la la, la, contribution déterminée, au niveau national. Mm. Elle est basée sur la gestion durable des terres. Et nous avons également euh, le fonds vert. Et au niveau national, nous avons le comité fonds vert dans l'AND, c'est toujours au niveau du secteur exécutif du CNDD. Et nous avons des projets. Nous venons même d'avoir eh, un projet soumis par le FIDA qui a été accepté à, plusieurs milliards de francs CFA, plus que la semaine passée. Donc, euh, et par rapport même à la lutte contre la désertification, si ce n'était pas une, priorité, le Niger a été eh, eh, désigné vice-président de la conférence des partis par rapport à la lutte contre la désertification. Et chaque fois, tous les deux ans, notre ministre de l'Environnement, qui est le chef de l'éducation, y participe. Et à part le ministre de l'Environnement, nous avons également des ministres qui y participent au moins deux ou trois ministres qui y participent par rapport à, cette conférence, c'est la contre la Et nous faisons des side events, nous montrons nos bonnes pratiques. Nous sommes partis avec des projets comme euh, le ProDAF, nous sommes partis avec la société civile qui ont fait aussi leur. Nous avons participé et chaque fois, le Niger était à l'honneur par rapport à ces conférences des partis. Pour ne pas vous parler aussi des changements climatiques, les changements climatiques aussi nous étions, nous étions à l'honneur. Ismaël, vous voulez euh, euh, euh, ajouter quelque chose Oui, non, je voulais juste rebondir. Oui. oui. Ah, en fait, quand, quand j'ai dit est-ce que c'est réellement une priorité, en fait, ce n'est pas une question pour, pour attaquer l'État. Hein. Il faut juste me comprendre. Hmm. Parce que quand on parle des, cas cadres stratégiques de gestion durable de terres, mm. OK nous, actuellement, ce qu'on prévoit d'ici 2030, c'est 10%, à peu près combien 107,6 millions de dollars avec nos, partenaires. Mm. Mais le financement conditionnel, c'est à peu près 968 millions. Est-ce que le financement conditionnel, en gros, c'est quoi C'est-à-dire, c'est des trucs qu'on ne peut pas faire, il faut que les autres nous le donnent donc, ça ne va pas vous étonner que 90% soit attendu de l'extérieur. C'est le financement inconditionnel normalement qui. en fait, c'est ça. Donc, est-ce qu'à l'échelle 2030, hmm. on peut atteindre, on peut résoudre ce problème là Si on attend toujours que les gens nous donnent des, des financements. D'ailleurs, l'une des solutions que je vais vous dire, hmm. ok, aujourd'hui en matière de. Parce, parce que c'est qu'il faut rappeler, et c'est ce que madame a dit, le volet politique de la lutte contre le changement climatique au Niger, c'est la lutte contre la désertification et la gestion durable des terres. Ce que je suis en train de dire, il ne faut pas considérer la désertification ou la dégradation des terres ok, comme un secteur humanitaire environnemental, c'est un secteur de développement. Il y a des études très sérieuses aujourd'hui qui vous disent si vous mettez un dollar dans la restauration des terres, vous gagnez 5 dollars en matière de développement. Plus encore, je vous ai fait le lien entre sécurité et développement. Alors, bah, alors nous, c'est ce que le président de la République disait à Paris, hein, hmm. allons nous continuer à, demander des, financements sur des actions prioritaires. C'est ce que je suis en train de dire. Hmm. Et quand je dis actions prioritaires, je veux dire quelque chose qui est lié intrinsèquement au développement de notre pays. Alors, pour finir, quelles sont aujourd'hui, à votre avis, les mesures urgentes à mettre en œuvre pour rattraper et pour, en tout cas, euh, gagner une avance sur, euh, sur, cette euh, question de désertification Ismaël. Vous, savez, je, n'ai aucune prétention de donner des, solutions ou des pistes, mais en tant qu'acteur de la société civile, en tant que peut-être quelqu'un qui est beaucoup intéressé par, par la recherche, je pense qu'il faut une synergie entre ces différents acteurs-là. Pourquoi il faut une synergie Parce que chaque composante ok, travaille souvent sur le même terrain, mais ils ne discutent pas. Et il faut qu'on aille vers cette synergie. Au niveau du, du, du, euh, Niger, actuellement, on est en train de mettre un, projet sur le réverdissement euh, dans cette commune de, de, de, Niamey. Et c'est un projet qui est dans cinq communes, sept, communes de la région de Niamey, de Dosso, bien, Dosso et Tawa. Mhm. Ok, et c'est un projet qui est piloté par l'Université de Niamey, qui a impliqué la société civile, qui a impliqué les privés. C'est ce genre de synergie dont on a besoin. Mm. Madame, Madame Boubacar Zalia, cette question de la synergie, est-ce que vous êtes d'accord que ça fait partie des défis La question de synergie est capitale. Et nous, au niveau de synergie, nous prenons cette synergie. Nous l'apprenons parce que les trois conventions sont au niveau aussi du CNDD en termes de synergie. Vous ne pouvez pas dire que vous allez euh, changer le climat, le transformer si, si vous n'avez pas fait des actions de lutte contre la désertification. Mm. Donc, c'est vraiment une synergie complète qu'il faut par rapport à ces trois conventions. Et nous travaillons ensemble. Et notre avantage aussi au Niger, nous avons les trois conventions au niveau d'une même structure. Et nous regroupons toutes les structures. Et que par rapport à une convention, tous ceux qui relèvent de la Convention de lutte contre la ceux qui traitent les changements climatiques connaissent ce qui se passe dedans. Et vice-versa. Est-ce qu'aujourd'hui, cette, cette, synergie existe vraiment entre euh, acteurs de la société civile, acteurs étatiques et partenaires au développement Cette synergie existe, c'est qu'il peut euh, le confirmer, mm. puisque nous avons des commissions techniques par exemple, pour le programme qui concerne la lutte contre la désertification, nous avons la commission technique panel CDGRN qui regroupe plus d'une quarantaine d'acteurs qui relèvent de la société civile, des, structures étatiques, des chercheurs, des médias, etc. Et il peut me confirmer ça. Et cette commission est présidée par le directeur général des eaux et forêts du mm. ministère de l'Environnement. Et c'est comme ça que nous travaillons. Et s'il y a des, des appuis à faire par rapport à la société civile, on les appuie. S'ils ont des présentations qu'ils veulent pour sensibiliser les acteurs, nous sommes là. Et nous répondons toujours présents. Mm. Je pense qu'il peut le confirmer par rapport à, cette synergie. La société civile fait partie et nous n'avons, ne nous déplaçons jamais pour une conférence sans cette société civile, sans les chercheurs. Par exemple, si je vous, je vous, je veux vous dire que notre correspondant scientifique au niveau de la Convention des Nations Unies, c'est le professeur Didier Adam. Hmm. Donc c'est lié à tout ce qui concerne les questions scientifiques qui relève de la Convention lutte contre la désertification, c'est un chercheur de l'Université de Niamey. Alors, pour finir, euh, euh, qu'en est-il de l'implication des populations euh, dans, tout ce qui est, dans tout ce qui est initiative contre la, lutte contre la désertification Monsieur Ismaël Bizot, nous terminons avec ça. Bon, je, pense <laughs> la, la, population est impliquée sous des projets. Mm. Et nous, le travail qu'on fait, c'est vrai, c'est c'est de continuer à sensibiliser. C'est de continuer à apporter des, petites initiatives au niveau local pour que la population là, comprenne la nécessité et de continuer à lutter. Parce qu'ils sont en train de le faire, ils sont en train eux-mêmes de créer des innovations, mais vraiment c'est de les appuyer, de renforcer leur, capacité dans la lutte. Bien, et c'est sur ces mots que prend fin le forum d'aujourd'hui sur la lutte contre la désertification. Quelles avancées et obstacles au Niger nos deux intervenants ont insisté sur euh, la nécessité d'une synergie entre euh, les différents acteurs, le renforcement en tout cas de cette synergie qui existe déjà euh, merci. Nous étions en compagnie de Madame Boubacar Zalia Yakuba, conseillère technique euh, au niveau du Conseil national pour l'environnement et le développement durable, euh, situé au cabinet du Premier ministre, et Alaï Bizo Ismaël, président de l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique au Niger, membre également du réseau Sahel Désertification. La présentation assurée par Alassane Kouzima Mamadou, volet technique, Issa Lawali, bonsoir.